Bonjour à bisa kan wannan shirin fada studio shirya Niger. Dans notre numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de la mode. Quelle avancée et quelle est la place des jeunes dans cette mode et pour parler de mode, nous avons installé notre studio à la foire Ariane. La foire Ariane, c'est la foire qui se tient à chaque fois à Niamey, juste à l'approche de la fête de Tabaski. Spécialement pour la FADA, c'est un Burkinabé qui nous accueille. Donc Thomas Lankandé, nous sommes juste en face de son stand avec toutes ses couleurs euh, et les tissus du Burkina. Vraiment, c'est le Burkina qui nous accueille, qui accueille la fada d'aujourd'hui. Tabas et Akate Salon Umki, c'est à chi à kuma ko irin wanda alfadi yake yi tunda shine aka sani amma yanzu matasa da dama sun kama hanyar shi za mu zanta da su mu gane wannan aikin nasu yaya ne suke yin shi da irin matsalolin da suke samu a cikin shi pour en parler nous avons autour de cette table Adéji Touré il est créateur de t-shirts et accessoires Anache Zoira, elle est accessoiriste, donc ita Anache tana yim, irin wannan sak, da irin wani kalmi, yan kunne duka wannan kike yi. Ça va? kina lahiya lahiya lau <laughs> ina ni kai kuma ture sa ba tare da mu kuma muna da lawali don lawali isaka shi kuma dumki yake yi lawali dumki dumki da mi da mi kake yi kuma oh, dumki duk kowane iri na yi hmm. maza da mata yara duka duka kana eh, yi dumki kadai kake ko har da wani abu bon ina yi bon dumki dai na yi kwarai ina yin banda dumki ma kamar su sac de foie ba ba hmm. kwarai ba haka okay Il est également accessoiriste, Laoli. Vous le savez, comme d'habitude, dans tout ça la FADA, vous aurez des témoignages, des questions d'auditeurs et enfin la chronique d'Olivier qu'on attend impatiemment. Nous avons fait le tour de la capitale, nous avons rencontré certains jeunes pour savoir ce qu'ils pensent des acteurs de la mode. Je trouve que euh, Zaman fait du très bon boulot. Franchement, je ne m'y attendais pas à, voir quelqu'un qui allait se lever un bon matin, nous faire, faire des, nous faire porter des sacs euh, en paille. Quand tu vois comme ça la paille, euh, tu te dis c'est rien, mais après tu dis tu, vois que ça fait de, très belles choses avec le pagne. Elle magnifie le pagne, euh, l'autre, celle qui fait Guida, ça évolue. Et on n'a pas honte du porter du Made Niger maintenant. Comparativement à avant, hein, ça évolue. Avec euh, l'initiative d'Alfadi, on voit des jeunes Nigériens commencer à emboîter le pas d'Alfadi et que maintenant, en dehors d'Alfadi, il y a d'autres côtés, Hadeline et plusieurs autres. Même nos samples tailleurs sont devenus des, de temps en temps des stylistes parce qu'ils font de la création et vraiment c'est joli. ce que je vois maintenant, c'est les anciens modes qui reviennent encore. Et puis c'est très joli, ça, c'est les modèles près du corps, ça rend la femme en valeur. Et puis des choses petites là maintenant, on ne voit plus ça vraiment. Les femmes s'habillent décemment et puis vraiment c'est donc les jeunes apprécient ce que vous faites. Ils apprécient le message que vous véhiculez. Mais dis-moi, Touré, ça, ça, vient d'où Les t-shirts, tu, tu, as étudié euh, la confection des t-shirts Ou euh, ça t'est venu comme ça Où devient vient ta passion pour la mode Bon, d'abord, euh, ça vient du fait de. Je trouve d'abord que chez nous, ici, nous avons, nous avons des talents. Nous avons une culture, mais notre culture n'est pas assez représentée à l'extérieur. Donc, L'idée des t-shirts, elle est venue du fait que je voulais faire un truc que les jeunes d'ici pouvaient porter et qui pouvait être euh, reconnu un peu partout de, par le monde. Donc du coup, je me suis dit, voilà, j'ai remarqué que les jeunes avaient plus tendance à porter des t-shirts. Du coup, j'ai pris des, pailles nigériennes, nigériens, j'ai essayé de faire des créations, j'ai essayé de faire des dessins, et j'ai créé des t-shirts avec des pailles nigériens portées par des de jeunes nigériens pour valoriser la, culture nigérienne et faire porter à ces jeunes ces pagnes qui, font partie de leur culture. Donc voilà, c'est comme ça que tout, c'est l'idée de, valoriser les pagnes. C'est de ça qu'est partie l'idée de, faire la création des, t-shirts avec des pagnes nigériens. c'est bien ça an kawo shi daga turai amma kai ka san da kai ka sa arin atohohin mu daga an sa an san wannan t-shirt kin kawai wannan ataho da aka sami shi kawai ta Niger ce kai kuma lawali ga ya mini daga ina ne wannan son dumki da mene daga ina karatun shi ne kai koko ina ne daga ina ya zo maka eh bon ni na tashi gidan mu na isko ana dumki ko ah, eh, kuma na zamna atelier tare da wani stylist tun apprentissage ma tare da stylist ne cikin atelier stylist ne apprentissage shi yasa kamar tun da tashi ma harkar mod bon na dan san wasu ciki a tun ina yaro ina bin su ina ganin yadda ake yi kuma ina son abu wanda shi ma ya hudda ni lakwal pour toi c'est une affaire de famille hein ouais. <laughs> Na, tu as grandi avec les euh, tissus, avec les ciseaux. En, tout cas, oui, depuis le bazar. Sai to ina ciki muna tare muna tare har ya kai yanzu su sun dan girma kwa. Sai sun dan bari ma. sun bar muna komi muke yi eh, ina da kuma a part ma na fami ina da patron wanda na aiki bayan shi wanda ba mambarkin fami na bane mun gamu da haka cikin aiki mm. eh, na gani yana yin wasu abubuwa wanda mu wajen mu ba yi shi ya samu ya yi voyage ya koyo wasu abubuwa wanda nan ba a yi sai da na gani ina gani abubuwan da muke yi me ina gani abubuwan da yake wanda mu wajen babu su Mm, na pour bien, apprendre Genre toi, depuis tout petit déjà, il y avait des enfants qui voulaient être euh, astronautes, d'autres docteurs. Toi, tu voulais être euh, Christian Dior. Et toi, dis-moi, Zouera, ça t'est venu d'où genre euh, la mode. Euh, ça vient d'où tout ça, tout ce que tu as, tu as appris, ce que tu fais Bon, je dirais un peu de mon imagination comme ça, puisque dès le bas âge, j'aimais trop, j'aimais bien les colliers, les genre l'habillement au fait. J'aime, voilà. Et je regardais aussi à la télé les, chaînes de mode, les, les défilés et autres, voilà. Waouh <laughs> Et, Et c'est de là que je me suis dit pourquoi ne pas créer de tels de, de, de tels articles, des colliers, des, des pochettes d'âme, des, des, trucs comme ça, voilà, des boucles d'oreilles <laughs> en pagne. C'est super ça. Kenan yanzu ke kawai shine kika zaba shine aiki nake so ko ko akwai wani abu parce que duka ah. cikin ayyuka ke ke wannan ya ah. birge ki kina so ki a cikin yi nisa cikin shi koko da yi shine kawai kike so a'a ba shi kadai nike so ba amma shi ma ina so in ci gaba cikin wannan harka da deja yanzu ni eh, karatun eh, doctoral pharmacy nike Ah oui, on a une pharmacienne là, une pharmacienne stylée là. <laughs> voilà. Déjà ina wannan karatun kenan ban da shi ma sai in shiga wannan ina nan ga wanga harkan hmm. accessoire in voilà. Et toi En pharmacie aussi, étudiant en pharmacie. Ah oui. Ouais. Aussi, je comprends là. <laughs> attendez, attendez, il faut que je comprenne. La pharmacie, là, en même temps, on, coupe couple là-dessus là-bas ou... <laughs> Non, même pas. assez de pharmaciens qui sont même dans la mode bah, Disons que voilà. Euh, je connais Zou à la fac. Donc un ah jour, on était là, on discutait. C'était par rapport, rapport aux jeunes, à la mode et tout. Donc on avait remarqué qu'on avait des idées qui partaient dans le même sens. Le ah fait que voilà, il y avait des jeunes, y des, on a une culture ici on a une culture africaine qui n'est pas tellement valorisée et que les, jeunes ne préfèrent pas, pas tellement porter. La plupart de nos créations, c'est des créations qui, vont vers la jeunesse, au fait, parce qu'on se dit vraiment, il faut que cette jeunesse-là, on amène nos pères à porter les, les, de chez nous, voilà, les locaux, les de chez parce que ça a de la valeur. Euh, c'est quoi la mode pour vous Parce que on voit tout de suite les tissus, on voit les voiles, on voit les tissus qui traînent derrière. <laughs> ya ya kusa sa koko akwai in aka ce mode akwai abubuwan da yake kunshe da su akwai abubuwa kala-kala da ake iya yi a travers la mode uh, harkan tisu da ne da dumki koko akwai wani abu da ke da bayan shi bon an ce mode ya shahi abubuwa da yawa kun kamar yana cikin kamar yadda kuka yi magana accessoire da sauransu uh, da babu kamar wasu for example bukul dore an wasu da bijo masu tsakiyoyi irin wannan huluna takalma ma ya shahi duka duka mm. an shahi a harkar mod ya shahi duka kuma ban da shi ma kamar daga dumki ma ko cikin gidaje akwai abubuwa da aikin kama an mode ne ma shi ma wanda ba sai kayan sa ba haka akwai abubuwa da yawa kayan ado ado akwai eh, eh, eh, wanda duka ya shahi abu guda wanda mutum guda yana iya abubuwan nan duka mhm. babu toi Zoira dans dans dans ce que tu fais c'est pas que dans ta vision de la mode ce que les tissus, les matières, ou c'est plus vaste que ça, en fait, la mode. On voudrait bien comprendre quand on dit mode, ça va jusqu'où là C'est pas que les, les, les, les vêtements. Moi, je me dis que même les les, dessins, les, les, les, peintures, voilà, ça fait un peu partie de la mode, quoi. Ouais, parce qu'il y, a des, y a des stylistes qu'il faut qu'ils dessinent leurs leurs différents articles avant de les fabriquer, avant de les produire. Mhm. Donc dans la mode et dans Fada aussi, il y a aussi de la musique. Nous allons en musique avec le groupe sénégalais Safari. Faut pas forcer, on se retrouve dans quelques instants. Hein, tu africa waka def ci góowe digal bi aka aka ma ri Retour dans tout ça la fada, après les safaris, nous parlons des avancées et de la place des jeunes dans la mode. Nous sommes au Palais des Sports, c'est la foire Ariane, la foire de la Tabaski, <laughs> comme on peut l'appeler. Avec nous, nous avons Adedi Touré, il est créateur de t-shirts et accessoiriste. Lawali Isaka, il est également couturier et accessoiriste. Nous avons avec nous notre euh, troisième euh, invitée qui est Anna Elle est accessoiriste également. Justement, là, euh, ça serait bien de savoir quel message les, créateurs, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message à l'extérieur, par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment l'Afrique. Ben, mini ne kuke gwada mishi cikin wannan kayan da kuke ko abin da kuke son gwadawa shi wannan ya ce kamar kyan kayan ne ko akwai abin da kuke son gwadawa in kuna nan ga dumke-dumken ku da wani takalman ku a traversa akwai abin da kuke son gwadawa to akwai abubuwa da yawa amma dai yanzu dai zancen guda zan yi kamar yanzu in sun ga abin da muke sai eh, kamar in bali in muna aikin kwarai in sun ka gani su ce lalle lalle a afirka an kai shi a niger ma an kai shi wa'inga har kayan da muke a niger an kai shi kuma nan ma aikin ana aikin kwarai kuma ya kamata da yi a san su haka nan alawali mm. mm, kuma bon abu ne wanda abubuwa da yawa yake gwadawa a travel creation inda kai za ka yi kana iya sensibilizan mutane kana iya karantar da mutane wasu abubuwan da ba ba a travers abubuwan da zaka beaucoup de choses on apprend beaucoup akwai abubuwa da wanda ba a sani ba kana iya zuwa kai ma kai bincike sama voilà tu fais tes recherches et à travers ça tu montres toute une histoire quoi kamar da sauran wanda na gabanmu suka yi masu yau dalilin su muka san abubuwa da yawa mun san wasu zannuwa namu wanda ba ma san ba ko namu ne na a travers su mun sani mun san kuma me yasa aka yi su da me yasa ake me yasa wanga irwa wala me eh. yasa ake boys me yasa suke da tsada me eh, yasa sai wani da wani ke sawa ta sara da kaza ake yi da kaza ake yi da kaza ake yi kuma suna sa kuma in yau in kuka sa aka san su saman kasuwa ta duniya da komai da an gani abu imagine ana cewa wanga abun na wuri kaza ne na wuri kaza ne ba eh. haka dai ne kasashe da yawa sun yi wanda dalilin su mun san yanzu ko akwai wai tissu de ka gani zaka ce a wanga tissu ah ça c'est le Burkina oui <laughs> c'est vrai que il y a des tissus tu vois déjà tu dis ah ça c'est Agadez mm. ah ça c'est Burkina mm. ah ça c'est Mali to Yanzo de plus en plus de jeunes se lancent dans ce secteur qu'est-ce qui explique cet engouement mata sa suna son sa kayan da kuke yi kuma kuma matasan kuna so ku yi irin wannan ɗumkunan da da an ce sai a gani a ni ban iya yi ni karatu na kawai zan yi mine ne irin wannan matasa ba su ba su ma tana da ɗumki pourquoi maintenant il y a plus de jeunes qui, le portent et plus de jeunes qui, qui confectionnent et qui créent parce que genre avant on partait dans les boutiques, c'était les prêts à porter, c'était genre direct de la Chine ou de l'Europe. Mais maintenant, tu vois des jeunes qui portent des pagnes, des pantalons en pagne, des, des, t-shirts avec du pagne. Genre tu, tu, recules 15 ans en arrière, t'as pas ça quoi. Pourquoi c'est pourquoi c'est viral maintenant, <laughs> c'est mondial <laughs> carrément. lawali selon toi bon wannan shi mi ya kashi yanzu generalma masu yin aikin hannu yawancinsu sun samu sun yi karatu kaɗan kwa ko ba su yi nisa ba mm-hmm. daga nan sun tsaya sun yi ɗan tunani wanda su ga kama irin ɗumakan ma da ake sawa na nasaru ana iya yin su da zannuwanmu yana cikin abubuwan da yake sa yanzu mutum yana iya zuwa ya siyo fan ya kawo maka ya ce ka ɗumka mishi ka mishi dimki iri kaza wanda ya gani jikin artist kaza ina son iri kaza da wanda na gani jikin artist kaza yana cikin abubuwan da ya sa mutane suna sawa kuma yana daga cikin wayewa aske mu da mun ɗauka sai ka yi irin kayan nasara ne za a san kawaye da sabuwa mm. wanda yanzu mun gane da ba haka nan ba ne wanda nasaru ke da nasu ma muna da namu wanda muna da wanda ya nasu avec le bazin. duka ana iya yi tu fais ton branché aussi eh quelqu'un soit wanga kayan da ka sa l'essentiel dai a mine ne yanzu example za ku ga mu reunion do sa da kaga mutun da kaya yanzu dai ba irin na da ba kan yace wani wanga daga Mali ya huto ko ko wani daga Niger ya huto ko ko amma da ba dura da kowa ma vest in da yace wato kowa ya sa irin ta nasara wanda ba ta da ma wata daraja wajen su kayan kasa ta ba mai yan kasa naka ka tai da shi wanda ba su sani ba C'est original. Ah, donc lui il a beaucoup parlé d'artistes Touré selon toi les artistes ont joué un rôle Oui, ils ont joué un rôle un rôle vraiment primordial au fait je crois que si si maintenant ça devient viral les jeunes s'y intéressent je crois que c'est parce qu'il y a maintenant euh, un changement de mentalité on commence par comprendre au fait avant avant on pouvait être euh, swag, le terme utilisé pas les, jeunes. Il, fallait forcément aller dans un prêt-à-porter. porter un truc, bon, je veux pas dire telle marque ou telle marque pour NDC, mais il fallait un truc qui soit vraiment de l'extérieur et tout. Mais bon, maintenant, je crois que les jeunes ont compris que voilà, même avec euh, les choses de chez nous, on pourrait être swag. Bah, on voit déjà à la télé, on voit des artistes, euh, des artistes comme des vidéos qui ramènent certaines pagnes africaines, des artistes comme Anton et tout. Donc on sait que chez nous, on a du vrai, on peut être swagué en étant dans notre culture aussi. Donc c'est pour ça les jeunes, ils savent que des trucs qui viennent chez nous sont originaux et sont swag. Donc <laughs> ils s'y attachent en fait. <laughs> Déjà, hein, c'est tellement cool de pouvoir être swag, tu vois, avec le pagne, le wax, le bazar, non Donc ça, selon toi, le fait qu'on puisse avoir autant de choix de matière, et euh, ah c'est même pas comme on le faisait avant, Maintenant, c'est tellement sophistiqué, c'est tellement, c'est tellement précis, les détails sont tellement jolis. Oui, genre ça influence un peu. Ça euh, influence, mhm. oui, ça influence parce qu'il y a des, des pagnes que quand on les voit, on a envie de les travailler. On a envie de, de les valoriser. Surtout maintenant, avant nos, les pagnes nigériens qui sont là actuellement sur le marché, avant c'était pas des pagnes. Avant c'était des tissus tissés à la main, des trucs que c'est pas facile de les avoir. Et maintenant avec leur commercialisation, on les voit et on a envie de les travailler, quoi. de porter, de faire porter les autres. Nous avons autour de cette table des jeunes, des jeunes stylistes, des jeunes accessoiristes. On voudrait bien savoir quel apport vous apportez les jeunes maintenant qui s'intéressent de plus en plus à la mode. Qu'est-ce que vous apportez euh, Forcément, ça se sent le fait que les, jeunes s'intéressent. C'est en plus, non Ouais, c'est en plus. C'est vraiment plus. Bon, ce qu'on apporte. Bon, je crois que euh, c'est, une manière aussi de, participer au développement, à l'émergence de, notre continent, je crois. Donc, c'est une manière de, montrer à l'extérieur que voilà, l'Afrique, l'Afrique a des richesses, comme je le dis tout le temps, en fait. Lawali, à Ganinka, le fait que Matassa s'intéresse beaucoup à la mode maintenant, qu'est-ce que ça apporte a ce secteur-là, c'est quoi le plus pour ce secteur? C'est vrai, da yawa, c'est vrai akwai ba yanzu kana hannu wanda in ka ga mutum an ce maka aikin hannu yake wanda da aiki ne wanda ba a samu da yawa ciki mm. kuma an raina shi wanda yanzu an fara samun canji za ga ma'aikacin hannu yaro wanda yana da kama abubuwa da yawa wanda yau cikin wasu ayyukan ma da ake so ba a ma samun shi kun ga karuwa ce kuma sawa kamar me yake suna tsaya a yi tunani a yi wasu abuwa kamar yadda na gai na da wanda yau matasa fisbila masu aikin hannu suna da dan ilimi kaɗan hmm. na dan nazari su yi wasu abubuwa wanda na da ba su yi ba na da mutane wanda suna abun a jahilce ne kwa babu wani cigaba wanda yanzu an samu 'yan sauyi kaɗan-kaɗan da ya kawo Comme vous le savez, dans tout ça, la fada, c'est aussi la musique. On retourne encore en musique, mais cette fois-ci avec MDM euh, Crew qui chante Boubou. Tellement les jeunes sont inspirés par euh, nos tissus, par la mode africaine. Il y a un groupe nigérien qui a même chanté pour le Boubou. On les écoute. Ah, c'est quoi le plan des soirées de qualité. J'ai enfilé mon joli boubou, boubou. Les petits filles ont validé. Champagne, whisky à côté. à sachez que kivebizo à chapa sa temps que tu la que tu connais. Voilà, <laughs> la danse du boubou. Le boubou est à l'honneur avec MDM Crew. Vraiment, c'est impressionnant, c'est tellement beau le message que, que nos artistes africains véhiculent. Yanzu kawai in ka gama tashi na nan ga waka sai ka gane shi da kaya da wani tsakiyoyin Afirka masu kyau da wani c'est tellement beau, c'est tellement original. On les encourage surtout à la fada. Nous rappelons aux auditeurs de notre 38 radio partenaire, dans toutes les régions du pays de nous envoyer leurs questions. Ils peuvent également recevoir tous nos contenus en s'abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Nous mu ta WhatsApp 88 sai farko da an an salon ɗumki sai dai a ga alfadi mu dai tunda muka tashi kamar shine muke gani ana sashi shi a tele irin wannan 'yan matan shi suna gwada kayan shi 'yan mata iri-iri kaya iri-iri ja maintenant quel, quel, quel rapport comment, comment vos aînés vous ont influencé dans vos créations, euh, Zoéra euh, Je dirais, avec les, ces différents défilés, les, les trucs qu'il fait, quoi. Ça mhm. aussi, ça peint. Ça t'a inspiré, toi, dans tes ça créations Ça m'a inspiré, vraiment. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer Voilà. Parce que je vous disais tout à l'heure au début de, de l'émission que c'est dès, dès l'enfance, quoi. Les trucs là, ils me plaisaient et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer Et nous espérons aussi influencer d'autres qui vont venir. <laughs> Inch'Allah. Inch'Allah, t'es sur la bonne voie. T'en fais même pas. <laughs> T'es tellement jeune, tu t'es lancé tellement jeune que d'ici, euh, je te dis, tu auras ta boutique. Nos aînés, je vais dire, tout d'abord, je vais, les remercier parce que moi, personnellement, Al-Fadi, c'est un monsieur que j'idolâtre. Bon, le thème idolâtre n'est pas bien, mais c'est un monsieur que j'apprécie vraiment. Et la dernière fois, il a organisé un salon auquel il nous a conviés. On a travaillé et tout. Et voir euh, un modèle comme ça, qui, aime ce que tu fais, qui vous pousse, qui vous encourage, c'est en plus en fait. Dans le domaine, il y a plusieurs personnes. Il y a Alfadi, il y a Nika Kreya même qui nous appelle des fois, qui nous dit voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Ils nous parlent de leur expérience. Ils nous disent au début, quand on a commencé, on a fait 16 erreurs. 16 erreurs, ne reprenez pas les mêmes erreurs et tout. Donc, toutes ces personnes-là, déjà, ils étaient des, des idoles, des, sous sources d'inspiration. Et maintenant, ils sont des gens qui nous accompagnent à ne pas faire les mêmes erreurs que eux. Donc vraiment, un grand merci à eux. Et si on est là où on est, c'est un peu grâce à eux parce que déjà, ils étaient de sources d'inspiration. Et le travail qu'ils abattent pour que nous puissions prendre la relève, elle est vraiment importante. Donc, ce que moi, je voulais dire, je veux dire à, aux grands stylistes qui sont là, d'apporter en plus aux jeunes. Aux jeunes. Il va, va pas falloir qu'ils aient une renommée après quand ils seront plus là il n'y aura plus euh, des gens qui vont prendre la relève. Donc, de, de se lancer dans l'initiative d'aider les jeunes qui, viennent dans le domaine de la mode pour que après eux, qu'il y ait une génération qui, va prendre la relève. Et Inch'Allah, si Dieu vient, nous aussi, on va essayer de faire qu'en tête. Forcément, il faut aider ceux qui viennent. Donc, message à l'endroit des civilistes, des aînés, c'est de nous aider, de nous aider vraiment à, à les rendre fiers ah. et à rendre tout le peuple fier. comment ça se passe tu, tu, tu, te tu te renseignes tu demandes euh, leur avis à tes aînés ou comment ça se passe ou tu tu fonces seulement avec ton inspiration <laughs> wanda ya riga ka cikin abu koya ne ya san wasu abubuwan da kai baka sani ba sai kana iya kamar kana iya zama yaro ka san wasu abubuwa wanda wanda ya koya maka ma bai sani a kowanne me cikin dai tahiyar da kake wanda ya yi rigai ka ciki ya yi ka sani abubuwa da yawa da gaske ne masu yanzu kowa ya san da an ce maka mod mod mod mod deja abu ne wanda ba a san shi ba ma kware haka fafa kuma wanda suka fara yin wanda kowa ya sani an maka modern niger mutum na wari alfadi ne sai vrai haka ne duwa bambancewa duk wanda fasa wasu yi bulaguro sun zo da kayan su wanda ba ta nan wajen ba akwai da yawa mai dai shi dai ne kwa sani kuma komi za ka yi dole sai ka ɗauki shawaran su lavi eh, da eh, ba hanyar da suka bi ka bi abu ne wanda kuma kullum ka tai wajen su inda kun zamana kun yi hira da su sai sun gaya maka kaza da za ka yi kaza ya kamata ka inda ka yi kaza kaza in ka tai kai ka komo ka ce musu nayi kaza nayi kaza nayi kaza sun kwatanta mu kuma inda kai kaza da kuma in ka gyara kana ganewa haka ne abin da su gaya maka que c'est vraiment ça Les discussions se poursuivent euh, avec euh, nos jeunes stylistes, accessoiristes, Zoeira Lawali Touré. Nous voudrons savoir vous avez voyagé. Comment, comment, comment, comment est perçue la mode nigérienne à l'étranger Zoéla, euh, t'as eu à voyager Oui, un peu. Mhm. Et je vais dire que la, mode nigérienne, vraiment, elle n'est pas connue. Sérieusement. pas, vraiment. À part les, les les quelques les articles que font Alfadi, les autres, les, voilà, à part eux. Et selon toi, maintenant au moins ces temps-ci, on peut dire que ça sort un peu quoi. Ana iya cewa yanzu lawali kamar matasa suna nan gaɗan hiddowa ko koko dai abun dai ya yake. Ana yi eh, bon ana zantan mod Niger gaskiya muna baya kwarai kwarai par rapport sauran kasashe tunan kai voyage hutanan ma dai pays frontalier dai ba akwai inda ba san bai still Nigerian ko guda ma ban da alfahari ko guda ko irin wannan amma an aka ga balkan mu Allah kura ga dai eh bon eh an sani saka eh, eh wannan haka ne me in kuka dauka kuma sauran kasashe yanzu akwai takalman da kun gani kun san artist senegalais ya yi shi da ka ga riga ka gani da ka ga ba mu da irin wannan kwarai merci lawali eh. Donc, euh, nous accueillons Olivier, notre chroniqueur chéri, <laughs> notre chroniqueur de Top Top. Il est là. Ravi, euh... je t'embrouille. <laughs> Je te dis, Olivier. non, mais t'es trop choco, quoi. <laughs> Merci, <laughs> Ça va Ça va très bien. Alors, comment vas-tu Super bien. T'as vu On parle le mode. Alors, euh, avant de commencer, j'aimerais commencer avec ce classique-là. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits, Paris et eh, voilà, on ne peut pas parler de mode en Afrique sans parler du Congo. Hommage à tous nos amis congolais qui vivent ici au Niger et à tous ceux qui nous suivent à travers ce réseau de 38 radios partenaires sur toute étendue du territoire. Amis auditeurs du studio Kalangou, bonsoir. Ce soir, dans ma chronique, je vais vous parler de cette application qui est devenue très virale, FaceApp. Rabi, tu as une idée de FaceApp ah, une vague idée, mais explique-moi. C'est toi, toi l'expert. Hein. ok, <laughs> super. Alors ce soir, je vais vous parler de FaceApp, cette application grâce à laquelle vous pouvez changer vos photos ou bien tu peux changer ta photo. Tu vois, alors donc c'est juste euh, pour rappeler un peu l'impact que cela pourrait apporter à nos amis utilisateurs. Puisque dans nos pays, malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour nous protéger de ces risques du numérique, des pays comme la France font de leur mieux. C'est ce que la Commission nationale de l'informatique et des libertés de France a donc euh, jugé bon de donner quelques conseils pour une utilisation saine sans se faire piéger par des conditions d'utilisation que personne ne lit mais que tout le monde accepte quand même. Ah oui, Olivier, quels sont ces conseils Voilà, parlons de ces conseils d'abord il faut retenir que l'application peut accéder à toutes les photos qu'on a dans notre téléphone et pas seulement ces, euh, photos-là qu'on souhaite. C'est-à-dire que moi, je voudrais mettre une photo peut-être euh, de mon visage, mais j'ai des photos intimes, bah, l'application peut tout choper de toutes les façons. Et là, c'est très dangereux. Ensuite, la CNIL conseille à à tous les utilisateurs de bien couper l'application du réseau. C'est-à-dire que si vous nous écoutez, vous avez fait ça sur votre téléphone, une fois que vous essayez de l'utiliser, en fait, désinstallez-la, quoi. Sinon, ça va vraiment vous causer des torts. Ah Je crois que si les amis qui nous écoutent peuvent retenir quelque chose, c'est vraiment de faire attention à l'Internet, car ce n'est pas tout ce que le web nous sert qui est bon à consommer. Ouais, merci. Olivier, ce soir, tu as prévu de nous parler aussi des merveilles de Niamey, c'est ça Bien sûr que oui. Tu sais, depuis le sommet de l'UA, l'Union africaine, Niamey a changé. Nous sommes tous d'accord. Il y a des changements l'aéroport a été rénové. Nous avons aussi Radisson Blue. Et nous avons aussi... Il y a la voie express qui va de l'aéroport international de Amani au centre-ville. Aujourd'hui, qui fait la fierté de tout Niamey. Telle la voie lactée dans le firmament, cette voie express sillonne, serpente et scintille dans la ville de Niamey et surtout la nuit. Qui a reconnu la voie Personne. Non mais putain, c'est le gouverneur de la ville de Niamey à l'instant. Ah oui Oui, bah je crois que nous sommes tous d'accord que Niamey a changé, mais nous sommes également d'accord que sur la voie express, les piétons souffrent avant de traverser cette route-là. Pour cela, les jeunes de Niamey ont organisé ce 28 juillet sur la voie express une campagne dénommée Respectons les piétons. Le but de cette campagne, c'est quoi C'est de rappeler à ceux qui ont les engins qu'un passage piéton à la base, c'est une partie de la route aménagée afin de permettre aux piétons de circuler en toute sécurité sur la chaussée, généralement pour la traversée. Et en gros, c'est très là qu'on voit sur la route, ce n'est pas pour la décoration, c'est beaucoup plus pour que, arriver à, ce, à cet instant-là, que vous soyez à moto, que vous soyez en véhicule, faites attention, freinez un peu pour laisser passer ceux qui sont à pied aussi afin qu'ils puissent traverser la route. Rabi, ça sera tout pour aujourd'hui. Pour les offres d'emploi, pour les formations et tout, une seule recommandation. Niger Emploi est là pour ça. Les plateformes réseaux sociaux aussi sont également là pour ça. Et merci aussi à tous nos amis qui nous envoient des retours très favorables parce que je te le dis, c'est une confidence. Ottawa, quelqu'un nous a écrit qu'il a écouté notre offre par rapport à la recherche du chauffeur et ça, ça nous donne la force de faire mieux hier, Merci à tous ah qui nous écoutez. Super Olivier. Allez, porte-toi bien, ravi. Merci euh, pour ta riche chronique, riche et belle chronique. On se retrouve la semaine prochaine et toi demain avec Dandy. Allez, bye bye. C'était la chronique d'Olivier. Merci euh, à toi et à très bientôt Olivier. Donc euh, je reviens avec mes invités, mes talentueux stylistes, accessoiristes. Merci pour cet entretien avec, à travers vous, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris sur euh, la mode, la mode au Niger, sur euh, sa beauté, sur sa diversité. Donc, euh, il, on retient de cet échange que vous êtes, vous êtes motivés. Les jeunes stylistes, les jeunes créateurs nigériens sont motivés et ils demandent juste un accompagnement de l'appui et aussi de, de l'encouragement, de l'encouragement que vous demandez, que vous dites pouvoir obtenir avec la consommation Made in Niger. Genre, c'est tellement beau ce que vous faites, c'est tellement bien, bien fait, que ça mérite qu'on s'y intéresse et ça mérite euh, qu'on le porte partout, qu'on le porte en France, qu'on le porte partout où on va, en Europe, aux États-Unis, vraiment. Merci pour vous, merci pour cette riche change. Merci également à nos auditeurs. N'oubliez pas que vous pouvez suivre et réagir à nos programmes en envoyant jeune au 80 06 88 54. Demain, vous serez avec euh, mon binôme, Dandy, qui, avec euh, ses invités, parleront des difficultés rencontrées par les acteurs de la mode et du rapport mode et technologie. Nous rappelons aux auditeurs de nos 38 radios partenaires dans toutes les régions du pays de nous envoyer leurs questions. Ils peuvent également recevoir tous nos contenus en s'abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jaune au 80 06 88 54. Duka masu shirararmu suna iya samun shirye-shiryenmu bisa kan lambar mu ta WhatsApp su aiko mana tambayoyinsu a 80 06 88 54. Sai mun ƙara haɗuwa Aminu Yaku Rabi Mai Kano.